Voilà, coordinateur euh, du mouvement Élite Sénégal. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'économiste, euh, bien vrai qu'on n'a pas encore terminé nos études, etc. Mais nous sommes toujours euh, sur la voie de la recherche, de la connaissance, etc. Parce qu'il dit politique, dit l'apprentissage. Voilà, c'est Ousmane encore une fois, président du mouvement Élite Sénégal. Qu'est-ce qui motive cette mobilisation Voilà, cette mobilisation est motivée par des jeunes engagés des jeunes travailleurs voilà, qui se disent pourquoi pas le développement de notre quartier. Et ils disent que nous devons faire un sargal à Ousmania. Parce que Ousmane bon, avec ma modeste personne, ils se disent qu'il est temps qu'on doit faire un saga à Ousmane Parce que depuis depuis 2010, je suis là dans mon quartier. J'ai créé une association, j'ai été le président euh, de notre ASC, ASC Djantibi, voilà, depuis 2016. Donc euh, sur ce, on a arrêté nos activités associatives. Mais nous avons décidé de faire de la politique. Donc peut-être ce sont ces régions-là dégagées c'est pour cela que les jeunes travaillent. décident de me faire un sargam, de me rendre un vibrant hommage. Et ça, me, réjouit vraiment de voir des jeunes, de voir des jeunes qui prennent leurs moyens, etc., et qui dégagent des énergies pour pouvoir faire vraiment un sargal à un jeune qui n'a rien du tout, qui n'a pas, par exemple, euh, de pouvoir public, qui n'a pas assez de sous, etc., comme on dit. Parce qu'au Sénégal, quand on fait un sargal, ou bien quand on rend un vivra hommage à quelqu'un, ça dit c'est un Richard, ou bien c'est quelqu'un qui brade de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est C'est mon ralliement euh, avec le maire Mansour Bien vrai que j'étais dans la paix et j'ai toujours été dans la paix. Parce que depuis 2006, j'ai commencé à faire de la politique. J'ai été dans une mouvance, la mouvance MDN, que je cite, mouvance euh, du professeur Mertonian. Mais j'ai décidé de rejoindre, le prof, euh, autant pour moi, le maire Mansoufaï, de travail de concert pour le développement de notre ville, qui est le Saint-Louis. Travail de concert pour un Saint-Louis nouveau. Travail de concert pour dégager nos idées, pour développer la ville de Saint-Louis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, il a un bon bilan. Mais nous, comme Dieu nous a aidés à faire des études supérieures, donc nous allons essayer avec mon mouvement de faire une communication de son bilan, mais aussi de proposer nos idées, nos expériences politiques, de leur donner des conseils et ne pas être des brebis galeuses ou bien d'être des civistes. Mais nous serons là dans la paire et essayer de nous, de nous imposer. Imposer pourquoi Pour pouvoir montrer nos idées, pour pouvoir montrer les compétences du mouvement Élie Sénégal. En quelque sorte, c'est ça. Mais c'est un, un, choix noble. Parce que, comme on dit, c'est un bon maire. Malheureusement, comme le président, aujourd'hui, nos dirigeants, les travailleurs souffrent de communicant ou bien de la communication. Parce que, comme on dit, son slogan l'a, déjà révélé. Parce qu'il dit que Dieu tout Dieu donc aujourd'hui, ce qui prime, c'est le travail. Mais nous, en tant que militants de la paix, c'est nous qui devons porter le message. C'est nous qui devons communiquer, de montrer la base, la sociale ou bien la population de ce qu'il a fait au niveau de la région de, Saint-Louis, de la ville de Saint-Louis. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les sentiers sont en explosion. Parce que, euh, par exemple, vous avez vu les babages, etc. Il y a un nouveau marché qui s'est fait au niveau de Bango. Il y a aussi bientôt l'arrivée de notre centre d'affaires et aussi l'hôpital bientôt. Donc c'est déjà lancé. Donc c'est pour, pour, cela que nous décidons de l'accompagner mais aussi et surtout de montrer ses réalisations, de communiquer parce que nous gérons un mouvement et qui dit mouvement dit que un, ce sont des regroupements de personnes de bonne qualité aussi parce que nous nous, nous revendiquons de l'élite. Et notre slogan c'est il faut que ça change. Changer pourquoi Pour le développement. Voilà, donc on va essayer de l'aider, de participer sur sa politique. Euh, non, j'aurais préféré qu'il me tend la main parce que, en fait, euh, je ne veux pas. Parce que quand tu, par exemple, quand tu travailles avec un leader qui est au sein du pouvoir et qui est, comme on dit souvent, le goro du président, donc on dit que il a, il a, il a corrompu, etc. Alors qu'elle n'est pas le cas. Donc j'ai eu à. Il m'a contacté. C'est lui qui m'a contacté, mais je ne lui ai pas tendu la main. Et je m'en réjouis de travailler avec lui parce que moi, j'opte à faire la politique. Mais la politique autrement, comment C'est d'être dans l'instance politique, c'est être dans un parti politique, de défendre les couleurs d'un parti. C'est ça en réalité. C'est pour cela que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons en tout cas essayer de travailler le concert en parfaite collaboration, etc. Et nous allons aussi porter surtout sa communication nous allons porter, le mouvement va porter la communication du maire Mansour Faye, de montrer à la population qu'il faut qu'on choisisse le bon candidat qui est le maire Mansour Faye. mais nak ñun dañu bëgg fi nga xamné dañuy wax ñu ñu jënk tax ñu ànd ak Mansour Faye kon li ñu doon li ñu doon li ñu doon laaj ak ñi nga xamné proposition ñi am mo bëri ta dafa laajoon xalaat proposition yi mo bëri lool mu laajoon xalaat te bo xolé nit ki so jugee ci lenn soo jugee ci leen da nga ko war a réfléchir parce que boo jugee waatee dañ naan ah dafa mel ni jigéen buy sëy di tas dañ naan waa ji du fa yàgg donc loolu la ñuy bañ donc dafa laaj xalaat dafa laaj réflexion moo tax koy def moo tax ñu jël temps bu bëri toog xaar parce que mënoon beneen bi mooy Mansour Faye contacté wu ma ko woowu ma ko woo contacté wu ma ko woowu ma ko peut-être dañoo def suñu ay preuve gëm ne

lu ñu liggéey la bu ñu liggéeyul woon loolu tey dañu ay ay jeunes travailleurs yoo xam ne ñoo ñu sargal ñu sargal ñu le maire ñu ne quartier bu nekk moo war a am bibliothèque ndax léegi xale yi liiratuñu xale yi seen téléphone la ñu ne donc suñu ay idée lañu indi indi wuñu pour nekk des comment dirais-je des moutons de Panurge da ñëw di la appuyer di tàccoo ko yuux non non politique boobu dañu bëgg a changer dañuy ñëw ñu jàppale la suñu xalaat du ci alal du ci dara parce que wërsëg moom yàllaa koy joxe fii lañ ko bind buñ ko waree jot dañ koy jot suñu waree jëriñ suñu réew dañ koy jëriñ te loolu lañ mooy suñu objectif. lan mooy li ma la wax léegi xam nga boo nekkee ci benn mbir nga jàng tey muñ lay wàññi sax yu ngi ne yaa ngi def yaa ngi titulaire de master 2 et cetera war nañ la laaj ñun soxlawuñu ñu fi toog nii muy Adama Kane Diallo muy Sambel ak ñeneen ak ñeneen élite lañ wax. élite c'est la crème de l'intellectuel kon bu ñu demee ba nga xam ne ñun duñ ñu duñ ñu saytu. du ñu laaj suñu xalaat parce que ñu loolu lañ soxla parce que xaalis yi day jeex soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara mais la considération et le respect de l'intellectuel la considération de la jeunesse nga bëgg jeunes yi fonk leen yëg leen mais leader il faut que jeunes yi tamit di leen jàngal ne leen ñun ñoo leen di nekkal ci base bi tey li nga gis fii ni mobilisation bi suñu ay moyens lañ génnee ay jàppale suñu ay ndaw et cetera kon yow da nga war a yëg nit ki feeñ nekkoon yëg lañ fa amul ba tey bi ñu demee yàlla boole ñoo Mansour Faye loolu lañ ko wax dañ ne ko ñun yëg ak considération la ñuy ak leader parce que il faut que tamit ñu impliquer jeunes yi bu ñu mënul impliquer dañuy génn dañuy boole ci mbir mi ñu bokk ci ñun ku ñu yëg ñu yëg la loolu moo wara a politique parce que entre le leader et le militant ça doit être un contrat moral du alal du dara mais bon ñu yëgee dañu li ñu fa li ñu fa jëlee daal considération ba pare nag yaakaar ne Mansour Faye moy le maire bi nga xamné ne gëm nañ né bu jëlaté ndar dana ko defar ndax instant bi chantier bi commencé na bien vrai que ak 2 ans yi nga xamné Covid yi amna na impact na ko le malheur nak moy communication bi nga xamné au sein de l'APR gars yi dañ ko wara am moy bilan le bilan de Mansour xam nga tay Sénégal bo nekkee fenn jógee fa ñëwaat ñu ne ah sa way dafa fumiste ndax lee naaw kañ la fi ñëw bay wax bilan mais ndar lañ dëkk ñu ci dox gis nañ pavage mu ngi dem Bango marché marché bu bees mu ngi fay ibbi tey boo demee euh, tableau waalo yaa ngi basket bi ñu ngi ko fay def et cetera mu ngi wax centre d'affaires et éclairage public je suis moom projet comme la mais li ci gën am solo la mooy la brèche la brèche bi nga xam ne moom nekk Ndar c'est important lu tax ñu siy wax parce que brèche boobu lim rey ci doomu aadama dafa bëri mooy damm gaal ba am na dëkk bi nga mu ngi

C'est ça, en fait. Dernière question. Hein. Euh, par rapport à cette euh, publication, la démission. La démission, dit Marito. Vous dit que vous avez dit que vous c'est une question pertinente parce que dafa am solo ndax ñi Sénégal dafa complexe euh, ñëw far dañ naan dañ ko jënd ba pare Sénégal dañu def ni tant que nekkoo opposant baaxoo soo nekkee ci pouvoir ñu tal ñu tam la dëmm je m'excuse damay jégalu ci kàddu gi mais dañ lay naan kii nii alal moo tax muy dem mais dañ war a xam ne tamit kii tabax dëkk bi ci pouvoir la nekk te bu du na ngay jógee fenn rek ñëw fenn ñu ne xaalis moo tax wala alal moo tax et ci loolu dama koy wax ne ko lu tax ñu am diir parce que dañu yore mouvement et Sénégal lépp lu ñuy def dañ ko doon dañ koy laaj dañuy laajte concerté wu naan ne ah parce que amul ndar ndar amul benn leader bu ñu contacté wul toog nañoo Mayoro toog na télévision la ñuy waxee toog nañoo Mayoro Faye candidat mën nañu bañ mën nañu bañ cité mais télé la ñuy waxee muy Aba Mbaye et cetera amul ku ñu toogul amul ku ñu contacté wu ba si biir au sein de l'APR da ngay gis benn directeur bu ne ñëwal ñu liggéey et ñu fas yéene ànd ak ñëpp nag.